Salut les amis de eSport TV Guy, merci encore de la confiance nouvelle et merci du way, like, merci du contenu à vous abonner mais également du bail et des commentaires. Thomas Tuchel qui fait une déclaration aujourd'hui, Thomas Tuchel miné, j'aime Sadio Mané mais mais lu mais donc mais bi li waral mooy les Blues de Chelsea et les Reds de Liverpool soldés par un score de deux buts partout. Sadio Mané moo premier but à la neuvième minute avant euh, Mohamed Salah de dugalaat l'a également ni euh, di Chelsea dit égaliser deux deux buts partout ndax ak ki nga xam ne euh, plutôt dougal premier but mais également euh, donc ce euh, match bobo li ci remarqué mooy qui ki nga xam Sadio Mané donc si 45 e seconde du bon 14e seconde du match plutôt dafa am benn faute bu mu def ci ki nga César Azpilicueta di capitaine également latéral ou Chelsea donc l'olnak nag jur VAR et tout finalement Sadio Mané carton jaune lañ Thomas Tuchel à la fin du match moom nee il aime Sadio Mané parce que Sadio Mané c'est un joueur bochamné. il doit toujours être sur le terrain c'est un joueur qui est respectueux c'est un joueur qui est qui est talentueux c'est également un joueur qui est énorme qui également est bon techniquement et tout mais lol non carton jaune carton rouge le Brandon. donc c'est un match Boham, c'était un match physique Dembou, c'était un match très relevé entre euh, Chelsea et Liverpool Sadio Mané qui a marqué donc son premier but après sept matchs de disette neuf matchs toutes compétitions confondues donc Moudou mais également Waneti ci boppam Edouard Mendy wane ci boppam bu baax a baax ak Mohamed Salah entre autres donc c'est un match boo ramené qui euh, dit di Klopp il n'était pas sur le banc parce qu'on a une vidéo précédente bi ma téléphone. dafa Amon, li nga xam test bu mu def test suspect la ñu donc comme que test suspect la ci le Covid on l'a laissé euh, lui à la maison moo entraîneur adjoint m'ont dirigé match un match bon xam également si les deux équipes se sont donné coup pour coup et pour Thomas Tuchel Sadio Mané est un joueur bon il est important dans le dispositif de Liverpool il est important également dans le système de jeu de Jürgen Klopp et aussi c'est un joueur bon comme il dit hein, parce que c'est un joueur bon il est brillant entre autres et tout mais donc football non noonu tax na jur coow yu action bi carton bien donc gars yi nañ pression ci arbitre pour mu joxe li nga carton rouge Sadio Mané mais l'arbitre donc n'a pas donc euh, été euh, emporté par la pression donc c'était Anthony Taylor l'arbitre du match moom def match Bob. donc Thomas Tuchel nag euh, li mel daf ko wax ci li nga xamné moy yene kay bi di Sun donc du journal ba nek foofu non ci Angleterre donc ci la waxé lu donc même sax ba ko média yi posé question bi wax nako ko bon liko ko xari moy carton rouge le bon quand on sait que voilà équipe bu nekk boo perte di nga wut ben prétexte et tout mais ce qu'il faut dire c'est que l'Angleterre gars c'est actuellement le meilleur championnat du monde, on ose le dire, parce que le niveau hier, c'est un niveau, mais très, très relevé. Et Edouard Mendy aussi, il a répondu présent, parce que Taï Boulougon, Edouard Mendy, premier Milan, euh, euh, les, les Blues de Chelsea allaient prendre l'eau, comme on dit. Buyu, Beri, Beri, Beri, mais grâce à la vigilance du portier sénégalais, ils ont donc pu préserver le score, revenir au score, deux buts partout, préserver score Donc euh, Mohamed Salah ne tire tir lob lointain bu mu ci def nag euh, bu bu sax ñëpp yaakaar Edouard Mendy faxas Sadio également 59 minutes minute mu aussi mu faxas mais c'était un match boo c'était un match physique c'était un match technique c'était un match également plaisant à voir dans da nga doo sentir sax donc match bi mi ngi dem donc Sadio finalement qui est sorti à la 89e minutes de jeu donc l'entraîneur voulait le ménager vu que un voyage mais également carton et tout à la fin du match aussi il a pris son avion avec Edouard Mendy ils sont arrivés donc euh, dans la nuit d'hier donc à la euh, entre la nuit d'hier et le matin d'aujourd'hui Radisson euh, Blue, équipe nationale mais en tout cas le match d'hier donc est rassurant bien actuellement heureusement que Sadio est revenu sans blessure qui dit tamit Edouard Mendy ne semble donc c'est des bonnes choses, c'est de bon augure pour l'équipe nationale du Sénégal. Mais hier, Hier, Sadio Mané aussi a manqué quelques occasions, mais Montagnac, mais il a fait un match parfait, il a fait un match complet. Euh, vitesse bi fait, ci pression bi feeñ ci li défendre et tout et tout et tout donc mon oral donc voilà boo aspiré le après bon mi ngi provoqué provoquer Sadio Mané et tout mais le joueur sénégalais est resté zen malgré pression bi ko et tout donc Thomas Tuchel qui a dit que Sadio Mané devait certes prendre un carton rouge du par rapport à Sardine dañu dem et tout mais mais quand même nangul na li Sadio Mané talent et tout clair. Sadio est un joueur très brillant qui a beaucoup de talent que tous les entraîneurs aiment. lui en tout cas il l'aime beaucoup ci but Dougal aussi c'est un but d'attaquant entre autres donc mais les mënu ci dara donc de doute donc Dougal Bibi. mais quand même comme on dit le match était plaisant à voir il y a eu match nul Chelsea et euh, Liverpool qui se font donc dépasser et par euh, les Manchester City en tout cas gars vous wéy leen di like wéy des abonné joxe leen comme toujours ça se passe ici jaa ngeen